auditeurs, bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadir et je suis accompagnée de Mariam Adey. Nous sommes ravis de vous retrouver à cette heure. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique ce matin, nous avons Mustafa Ayouba. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va bien Salamot. Alors, euh, qu'avons-nous au menu aujourd'hui nous débutons avec le flash d'information suivi, de nos rubriques et de la bonne musique nigérienne. Comme invité, nous recevons M. Jafar Lawali Abba, connu sous le nom de El Il est rappeur nigérien. Nous allons boucler cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs prêts pour le décollage. C'est parti. Chers auditeurs, on débute cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté par Rafika Attar. Bonjour, Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez alors pour ce matin, les autorités béninoises autorisent le premier chargement du brut nigérien de manière ponctuelle et provisoire. En effet, le ministre béninois de l'énergie et des mines Samu Seydou Adambi a annoncé hier l'accord du gouvernement pour le premier chargement du brut nigérien à partir du port de Séné lors d'une conférence de presse. Il s'agit toutefois d'une autorisation ponctuelle et provisoire selon l'annonce du ministre Adambi. Cette décision intervient environ une semaine après le blocage de l'embarquement du pétrole brut du Niger acheminé via le pipeline traversant le territoire béninois. La direction de la police judiciaire de Niamey a démantelé trois bandes de malfaiteurs spécialisés dans les vols à roulotte à bord des taxis. Les enquêtes ont été lancées en réponse aux plaintes répétitives des passagers victimes de vols à bord du taxi dans la ville de Niamey. Ces investigations ont permis de l'identification et l'arrestation de trois bandes opérant avec des modes opératoires similaires. Terminons ce flash d'information avec une note nécrologique. Madame Azara Mahamoudou Alitana, ancienne maire d'Agadez et présidente de l'Association des femmes nigériennes contre la guerre, s'est éteinte hier suite à un accident de circulation dans la région de Dosso. Merci Rafika. Pour ce flash info, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous recevons M. Jafar Lawali Abba, connu sous le nom de El Fantom, rappeur nigérien. Il sera avec nous dans un instant. Mais avant, faisons l'honneur d'abord à notre invité en écoutant un de ses titres, Game Over. Yeah, c'est la k et le KDG. KDG, King du Game. Wassafar Ngirki. Le silence n'est pas un oubli. Jamais, Ça fait. Ok, je rappe le bendo comme j'aime mon petit. Je rappe le bendo, toi tu fais les dames Je, moi je m'amuse dans le bendo, mon petit. Je fais ce que je veux dans le bendo dame. Je fais mes bêtises dans le bendo, mon petit. C'est pour ça que je rappe dans mon bendo dab. Dab. Tu veux rentrer dans le bando comme Zed, mon pote, mais tu ne peux pas être dans le bando comme Zed. Quand tu n'es pas fait pour être dans ce bando c'est mieux pour toi d'acheter dans tes ghettos. Depuis que je suis rentré dans le bendo, je fais mon rapport comme toi. Depuis que je suis rentré dans le bendo, c'est là que je suis chaud. Comme un volcan en éruption, je libre comme une bite en érection. Là, je cherche une petite provocation pour les battre, même s'ils sont en délégation. Pour me défier, faut une formation de de retenir la leçon. Ce que je veux, c'est vivre ma passion, mais elles ne veulent me voir en mode patience. Je veux juste faire monter la tension, que personne ne peut contrôler sensation. Personne ne peut contrôler sensation. Que contre les sensations Ce rap game sera sous ma domination. Sous ma domination. Ce rap game sera sous ma domination. Car forcément, mon héros, c'est game over. Qui ces rappeurs qui se prennent la tête, voilà, je vais les perturber. Je suis la nouvelle légende de mon pays, les meilleurs rappeurs, je vais les remplacer. Maintenant, le rap est coupé et décalé depuis que Dashi est décédé. Je travaille en silence, mais suis ça fait de bruit, parce que je ne pense pas qu'on puisse. Je dis attends, attends, attends. On va sauter, c'est El Fantôme, le king du game, c'est la K8G et le KDG. On veut pas vraiment et non pas de pizzas petit les la CDH Tous ces avec des années pas de ramener les en classe CI. Quand le rap est sombre, c'est moi qui hascalise avec ma bougie. Bien, trouve-toi dans de ces games, des j'en ai vécu plusieurs cas. Je reviens de le là avec des rimes de faire pour faire plaisir aux morts. Me vend de midi à minuit en Hambourg ou mon ma gola, c'est ce qu'elle aime. Mon héros, j'ai la musique de le veine, mais je sais pas pourquoi ils ont la haine. Hein? Mais je sais pas pourquoi ils ont la haine. Quand tu mets au monde, mets-toi au monde. Si tu peux, mets au monde. Hey, c'est la KU si j'ai le KDG. Ah, le silence n'est pas un oubli. On s'en qui Mon petit, faut pas tu parler, faut dégager. Mon boss, solide comme jamais. Le bloc Figgy Bonnet. Parker, D-Way, Bouski Gang Gang. Habillé par Molotov, Kitoko, DJ, Wally, Ali, Joga, Oga Kesh. Hey, sal, sal, ski, ski, rata. Hey, hey, ça fait. Ok. Grr, grr, C'est la le KDG. Ah, la C'est chaud, ma gueule. Hey hey, hey, hey, hey, chaud, chaud. C'était le titre Gomeva de El Phantom. El tu veux nous parler de ce titre Wow Game Over, en quelque sorte, c'est, c'est le go trip. capté le rap nigérien, donc euh, c'est toujours je suis le king, je suis le king, donc. Euh, le king, le roi, quoi. T'as capté mhm. Donc, euh, le premier pas en mode ego trip. Moi-même, je me dis, ouais, je suis le king, donc on va leur montrer ce qu'on sait faire. Dans ces cas, de la euh, scène. Voilà. <laughs> tu vas leur montrer ce que tu sais faire sur la scène ou bien Et les gars, ils vont voir, non <laughs> Alors, euh, El Fantôme, dis-nous comment avez-vous découvert votre passion pour la musique hmm. Ça, c'est comme la moitié de tout le monde, hein, c'est à l'école. Je suis à l'école en classe de troisième. Je me rappelle, je j'écoutais trop. C'était du Booba, du Caris, avec les petits du Nigeria, tu vois. Donc, euh, j'ai pas compris les, petits du Nigeria, les rappeurs. <laughs> les petits du Nigeria, t'as capté <laughs> mhm. Il y a les artistes euh, qui je vais dire. Les Lil Amir, il y a les DJ Ebi, bon, c'est pas des petits, mais t'as capté Les trucs comme ça. Il y a les DJ Ebi, les Morel et trucs tout, tout. En fait, je copiais les tests, je copiais les tests et un beau jour, il y a un ami qui me disait que. Ah, et si j'écrivais mon propre test pour faire un essai voir et c'est de là que c'est parti. Bon, moi, avant de commencer, moi, j'aimerais savoir qui est le fantôme d'abord. Là, c'est une longue histoire. Hein? <laughs> il faut nous expliquer un peu. Tu vois? Bon, El fantôme à l'état civil, moi, en résumé, c'est Loli Abba Jafar, âgé de 22 ans. Et puis, c'est tout. Ah, vous êtes étudiant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis artiste. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Et quelles ont <laughs> été les étapes clé de votre parcours musical jusqu'à présent Waouh Je sais pas trop comment l'expliquer parce que, au fait, euh, bon, si je dis, il y a plein d'événements, tu vois. Il y a plein d'événements qui se sont déroulés. Les étapes clés, je dirais, il y a mon passage studio, c'est un grand frère euh, DJ Mato. Il y a aussi mon séjour, mon séjour en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour une tournée médiatique. J'étais aussi au Nigeria pour quelques mois où j'étais dans un studio aussi pour une formation. Et puis voilà. Alors, El Fantôme, pouvez-vous nous parler de votre première chanson <laughs> elle veut me tuer, Bon, ma première chanson, c'est. <laughs> Partage avec nous, nous aussi on aimerait savoir. Non, ça me tue en fait le fait d'y penser. C'est un son, il s'appelle King du Game. Mhm. <laughs> J'avais écrit ça, je me rappelle, c'était à vers 2h du matin. J'avais écrit un truc. Je n'étais C'était trop bizarre. Du coup, notre studio, et puis voilà. J'étais sur le micro. Le gars, il m'entendait rapper, rapper, rapper. Il me dit, Guy, il dit, Je sors comme ça, il commence à me crier dessus. Que quoi, quoi, quoi. Mais pourquoi Parce que ah, le test de 1, c'était nul. Mm-hmm. De 2, j'étais sur le micro, je tremblais. C'était trop bizarre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Bon, dès que je suis venu à la maison et ça m'a servi de leçon. Du coup, j'ai commencé à écrire. Je, je, je, je corrige les fautes. Tu t'es amélioré après grave Mais non. En fait, je me suis amélioré, mais ça m'a encore blessé hein, et je peux pas oublier ça. <laughs> Non. C'était trop chaud. Et maintenant, quels artistes vous ont le plus inspiré dans votre carrière Bon. Je dirais à Himra, c'est un Ivoirien, avec qui je prépare aussi un son, un featuring. Il y a aussi SDM, un Français. Il y a Elsa, le Nigérien. Ah, voilà, enfin, il y a un Nigérien. <laughs> voilà. Il y a Elsa, le Nigérien, et puis il y a Sane Aboussa. Merci. C'est les quatre. Allez, maintenant, quelle a été la réaction de votre entourage lorsque vous avez décidé de devenir chanteur Bon, je sais, comme on vient dans un milieu très, très, très islamisé, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, c'est compliqué, c'est trop. Mais si c'est compliqué, il <laughs> faut nous expliquer. On aimerait savoir comment ça s'est passé. C'est les histoires personnelles là, je sais pas. Bon, en fait, quand j'ai décidé la musique, premièrement, c'était la daronne qui était contre, parce que le papa ne savait pas. La maman était contre. Elle a tout fait, tout fait, tout fait. J'ai dis maman, si c'est les études tu veux, je vais étudier. Mais la musique, c'est une passion pour moi, donc euh, pourquoi ne pas jumeler les deux Elle dit que non, elle connaît. Déjà, je suis dans le foot, il y a l'étude, et puis la musique. Ça va être difficile de lui apporter des bonnes notes. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Moi qui me retrouvais avec des 12, 13, je reviens avec des 8, 9. C'est trop bizarre. Et puis, <clears throat> à un moment, je, je, je préparais mon concert, mon premier concert à la galerie Tawedo. Mm -hmm. Et c'est là le vieux a vu l'affiche. Il m'appelle direct. Jafar, <laughs> mine kenan gani wanga abu. Il dit que naga affiche. Concert que kenan mo aji ka koma. C'est le début de la misère comme ça. Et tu vas chez shi Non, jamais. Vieux tu vas guider chez shi ba. Shi ba sa mo aki qui shi. Parce que c'est la première, le premier dans sa famille. Ba dai dan shi ba, sai dan wani. On a commencé, on a commencé, parler, parler. On a eu après à faire des discussions à deux. Je lui parle, il me parle. Je lui parle, il me parle. À un moment, il m'a même giflé. Que quoi Bah, Il a Il a fait en sorte que j'ai supprimé tous mes clips. À ce moment, j'avais un truc de trois clips sur YouTube. J'ai supprimé tout. Mon Facebook, Insta, Twitter, j'ai tout supprimé. Et puis, ah, il a laissé, non et au final, il a accepté ou pas il En fait, il n'avait pas le choix. Ok. Il n'avait pas le choix. Parce qu'il a vu, en fait, j'ai, plus rien dans la tête si c'est pas la musique. Même le tu as tenu tête à ton ah. si je comprends. Bon, <laughs> en quelque sorte. Mais il m'a fait vivre un calvaire. Wallahi. Et concernant, et concernant le foot, vous jouez dans quel club Je jouais parce ah, que même le foot, j'ai arrêté il y a trois ans. Ok. J'étais à Liberté FC, j'ai joué au Sahel, j'ai joué à la garde aussi. Et maintenant, vous avez tout arrêté à cause de la musique. Effectivement. Ok, d'accord, super. Chers auditeurs, avant de poursuivre nos échanges, écoutons un deuxième morceau de notre invité, El Fantôme, et le titre c'est Gesticule. Ah. Hey, ça fait. Hey. C'est la K8G, le KDG. Ça fait, va s'en faire un A tour tout tout si tu gesticules. A tour tout tout si tu gesticules. Hey, oh, oh. A tour tout tout si tu gesticules. Tour tout tout si tu gesticules. Tour tout tout si tu gesticules plutôt le temps pour faire les analyses. À la fin, y a rien qui rassasie. Et pour qu'on fait ces rappeurs dans mon casier, pas besoin de me lever à 6 h Je me remplis les poches avec les billets, mon raison pour laquelle maintenant je suis plus mauvais. Et je sirote ces fumeurs. comme siro de guimauve alani nakamana, da faya kowa roga roga touche le million pour soigner les blessures mais l'objectif est voir le sourire de mon rappeur chanteur je suis qui je sais pas tout ce que je sais c'est que je vais réussir Hey, t'as capté le message ou bien mon gars Hey, hey, hey, hey. A tout tout si tu gesticules. A tout tout si tu gesticules. À tout tout si tu gesticules. Hey, hey, hey. La gesticule, t'as capté. Moi ce rap game, je le kill. T'as me fait ta soeur, j'ai le ah Le Les comme du liquide ah Ne te tombe pas, je suis le qui Tout le monde me demande ouais, D'où me sort tous mes punchlines Ça remonte un jus de citron Quand je démarre en impro alani nakama kama na shugo da faya kowa nakama kama zai jire roga roga ke kama ina le million pour soigner les blessures mais il fait voir le sourire de mon ma rappeur quand je sais qui je sais pas tout ce que je sais c'est que je vais réussir Hey. Tout ce que je sais. Ouais, tout ce que, je sais, c'est que, je vais réussir. Ça fait. Tout ce que je sais. Hey. Hey. Adore si tu gesticules. À tout si tu gesticules. Tout ce que je sais. tout si tu gesticules. Si tu gesticules. Hey, si tu gesticules. Hey, si tu gesticules. T'as capté en live sur Studio Kalangu. Brrr c'est le titre gesticule d'El Fantôme. El Fantôme, tu peux nous parler de ces sons Bon, en fait, je dirais c'est c'est une mise en garde que j'ai fait à un, un artiste ivoirien qui a fait sortir un son sur moi quand j'étais là-bas durant mon séjour. Et voilà, tu vois, il a fait sortir, il a fait sortir un son sur quoi les Nigériens, depuis qu'un Nigérien a fini de vendre à Tchéquie pour venir se mettre dans la musique. Tu vois, un truc de ce genre. Et puis, ah, ils disent que quoi Depuis quand Nigériens commencent à chocotiser, commencent à chocoya Depuis quand Ils n'ont jamais vu ça Qu'il y a de laisser, on va aller vendre chocoya. Eh, tu vois Et puis avec notre garba, les placali, les trucs, c'est ça qui est fait pour nous, la musique là. Voilà, voilà. C'est pas pour nous. Et toi, tu lui as montré le contraire, c'est ça, non Mais quand même, en tant que Nigérien. Ah oui. Et puis, je vais pas laisser ça. Je pas laisser ça. Et après la sortie de ce son, même, je me rappelle. Mais est-ce que eh. lui-même, il a eu l'occasion d'écouter la musique Effectivement, parce que je te dis, il a même euh, eu à prendre ses gars du quartier pour me retrouver dans mon quartier. Histoire de faire, tu vois, un truc animalisation, t'as capté dans le mouvement. Mais euh, non on n'est pas stressé. Oh. Nous, on est à Hausa. ça tu cherches. <laughs> Ils ont vu, non Hmm. voilà, vous travaillez seul ou en collaboration avec d'autres artistes Bon, pour l'instant, je suis seul, je dirais. Je suis seul, mais il y a des collaborations qui sont en cours. Alors, aujourd'hui, tu peux nous dire comment tu choisis tes thèmes parce qu'on entend Game Over, Gesticule. Il y a un autre aussi, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle là En face volée Là, je crois un truc comme ça. Il faut nous expliquer un peu les thèmes là. Bon, pour les thèmes, c'est pas moi qui choisis mes thèmes. Hmm. Sincèrement, c'est le manager et puis mon directeur artistique. C'est eux qui disent qu'il est temps de faire un son sur ce thème. Il est temps de faire un truc sur ça. C'est ce qu'on fait. Et puis actuellement, ils me disent que de faire, de mettre le pied sur un son pour, pour les moments et trucs, tu vois, voilà un truc positif alors. Parce que maintenant, tu dis game over, règlement de compte, gesticule. Effectivement. Un truc de quoi, voilà. Ils me disent que maintenant, arrêtons tout ça, de commencer à conscientiser. Bon, on essaie de conscientiser. Il est temps de chanter pour nous alors. <laughs> Effectivement. Et c'est prévu même la sortie ce 3 juin, Inch'Allah, en hommage pour les mamans. Alors, pouvez-vous nous parler de vos projets bon, présents et futurs Bon, pour l'instant, on est venu, je suis revenu à Niamey il pas longtemps. C'est pour faire une tournée médiatique et puis gagner temps. Je retourne aussi au Nigeria pour continuer la promotion de l'artiste. Et il y a des projets aussi avec des artistes internationaux comme Imra. Il y a Didibé aussi, c'est la première fois que je parle de ça. Et il y a aussi des Nigérians comme Badman Biladin qui vient aussi. Et c'est ce qu'on prévoit pour l'instant. C'est ce qu'on a. des featuring avec eux oui, c'est ce qu'on a dans notre, euh, sur, sur l'agenda. Mais on ne sait pas d'ici. Ça va être du lourd alors. Ah, ils vont voir seulement. Nous, on ne parle pas trop. Ils vont voir ça. Ah ouais. Hmm. Et d'accord, comment voyez-vous l'évolution de votre carrière dans les prochaines années et quels conseils donnez-vous à un jeune artiste qui débute dans l'industrie musicale Bon, moi, sincèrement, dans les prochaines années, hmm, d'ici deux 3 ans, je me vois. Ah. En fait, moi, je suis trop rêveur, c'est ça Mais mon il faut problème. Mais il faut partager. <laughs> c'est, ça, ça, mon problème. Il faut partager avec nous. On ah. aimerait savoir dans trois ans, peut-être, 50, ah. PDD, des trucs comme ça. en tout cas, en tout cas, Amine, en tout cas, <laughs> on le souhaite. Mais dans trois ans, en tout cas, moi, je me vois faire des featuring avec les Koubaladi. Tu vois, les, les, les, les, les, les Bouba. Ouais, si possible aussi, tu vois. Mm. Mais bon, on est là. On est là. Mais, mais est-ce que tu peux nous faire euh, quelques trucs, euh, un acapella pour le studio Kalangu Pourquoi pas Bon, pour le C'est l'occasion maintenant, on laisse les games ouverts, les gesticules maintenant pour Kalangu. Bon, <laughs> pour Kalangu, ça sera une exception, mais pour les autres, mm. c'est 100 000. Hein, <laughs> ok, d'accord. Le freestyle. D'accord. Ok, on y va. Hey. Faut pas que ça t'étonne. Si je. <laughs> Ces gars, eh, ils rappent comme des villageois. Et moi, j'ai des fans, même au studio Kalangu 00, ils sont pas de taille. Sur le beat, donc moi, j'ai des tailles. Si le rap était championnat, à tous les coups, je chopé la médaille. Tu veux détrôner la K8G, il te faut beaucoup de bourra. Je n'ai pas grandi avec Tarzan, mais sur tous les beats, je suis sauvage. Avant mon arrivée dans le game, le rap Niger cria à l'aide. Donc, je suis venu le sauver. Comme si je suis Superman, quand mes punchlines sont nombreuses comme les cheveux d'un Rastaman. Wow. <laughs> ok, merci, merci, merci, merci beaucoup, El Merci de nous avoir honoré de votre présence. Et bonne carrière musicale. Nous prenons une pause et nous vous reviendrons. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation numérique et ce sera avec Ousmane Mahmoudou, rédacteur en chef adjoint du studio Kalong. Aujourd'hui, nous allons parler d'une étude menée sur l'impact de l'Internet sur le bien-être mental, n'est-ce pas tout. Dans la rubrique éducation numérique de cette semaine, nous allons voir une étude publiée le lundi 13 mai par la revue scientifique Nature par rapport à l'impact d'Internet sur notre bien-être mental. Et les résultats de cette étude bousculent les idées reçues jusqu'ici. Absolument, Salamot. Cette étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature mérite toute notre attention. Conduite sur une période d'environ 15 ans et portant sur plus de 2,4 millions de participants à travers le monde, elle offre des résultats vraiment très, très surprenants. Ousmane, quels sont ces résultats Oui, oui. Donc, contre toute attente, l'étude suggère que l'utilisation d'Internet est associée à une amélioration du bien-être. Donc, dans l'ensemble, il note que les participants qui ont accès à Internet ont des résultats supérieurs de 8% aux mesures de satisfaction de la vie par rapport à celles qui n'ont pas accès à Internet. Ousmane, comment ont-ils mené cette étude Les chercheurs ont compilé des données sur une période allant de 2006 à 2021, provenant de 168 pays différents. Donc c'est vraiment une enquête euh, assez euh, sérieuse. Donc cette diversité permet d'avoir un résultat plus global, contrairement aux études précédentes donc qui se concentraient souvent sur les pays anglo-saxons. Mais Ousmane, y a-t-il des nuances à apporter à ces résultats Ben oui, euh, parce que les chercheurs ont noté en fait une différence chez les femmes âgées de 15 à 24 ans, qui semblent moins satisfaites de leur utilisation d'Internet. Euh, ils attribuent cela à une présence moins accueillante dans certaines communautés en ligne, parce que euh, les femmes de cet âge-là, souvent, elles sont harcelées, elles sont insultées, elles sont traitées de tous les maux, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très intéressant. Mais qu'en est-il des réseaux sociaux qui ont souvent mauvaise presse en matière de bien-être mais en effet, c'est une question qu'il faut soulever. Les chercheurs reconnaissent qu'il reste des interrogations quant à savoir si l'utilisation d'Internet est la cause directe de l'amélioration même du bien-être ou simplement une association. De plus, une étude réalisée en 2019 euh, par l'hôpital Sainte-Justine de Montréal soulignait que les réseaux sociaux, en particulier des plateformes comme Instagram, peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être mental des jeunes. Donc la comparaison constante avec des vies euh, idéalistes peut entraîner des sentiments de déception et d'insatisfaction. Parce que sur les réseaux sociaux, souvent les jeunes se comparent à des mannequins ou bien à des personnes immensément riches et euh, elles restent un peu euh, insatisfaites de leur vie quand elles comparent avec les vies de ces personnes-là qu'elles suivent. C'est donc une question complexe. Donc on retient qu'Internet peut avoir des effets bénéfiques sur notre bien-être mental, mais il faut avoir conscience des pièges potentiels des réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup Ousmane pour ces éclaircissements. Merci et à la semaine prochaine. Chers auditeurs, plus d'ambiance, plus de groove. Et si on soufflait un peu avec euh, de la musique, Mariam pourquoi pas ça, Quoi nous stock pour nous Bon, je te propose l'artiste Ali Masta qui nous chante l'amour dans ce titre Je vais t'aimer. On écoute. Mes chers auditeurs et auditrices, ce morceau est dédié à toutes les âmes sensibles qui sont actuellement à l'écoute de cette émission. C'est là les titres Je vais t'aimer, chers auditeurs. Si vous venez juste de nous rejoindre dans cette émission, eh bien, dites-vous que vous n'avez rien raté car euh, vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiocalangou.org. À présent, place à l'écho des régions, n'est-ce pas, Salamatou Et eh oui, la commune rurale de Mangaizé abrite l'un des plus grands sites de déplacer internes de la région de Tilabiri pour une meilleure prise en charge des enfants déplacés dans les établissements scolaires des cours référentiels et de rattrapage sont initiés par l'inspection du dié secteur afin de permettre à ces élèves de rattraper l'année académique. Boubacar Abdou, directeur de l'école Centre de Mangaïsé, est au micro de notre correspondant Abdulaziz Hassoumi. Mangaïsé, à Gokware, Kanyara, Bore, Kaltune, Ikaga, Goro. Matano, i wana zankai kyawun da yawan goga da zankiyan gor si kayan laka tuna din kandinan wani herai tun dirgin ga kware nan ka gogor manga izara inga zanki ka ce ban zanki lukulizi bobu go irana zamu dai samun sai simirke nongo kundai irgon dai kolodra lukulizi zongi hinka iwogi cin cinda ta ci ikul deplacer yanno wo braizi zangun do wodi cin di no goyda sira al braizi go tonga wor wak cin di ye kai ku deplacer no kun ka gora didi wodin za lul bonu guna agay kulo alhalo halo barama irga bay kan zanka wo hali ga hantum kadai ina tiryanti ase matano din fonde kan gogi samu guduga zan kai no kan za imandira i kule din jari si a afon ba da hal bai gidan ka dan i gondire tarboro i fullaci hal mutum musu kai ko kallaka lakatuna iga kai ika za ika i wasu wasil ko di i woni heraidin inda tsarin zanka kayan go lokol do kayan to lokol ba ka nodi di sigi cewa zan ba kan lokol da ba su iman dugu cewa yim wasu wasu kan da iritar musu wara hera ali no kan da kuci ka e ko ne la kulis no kan go wato kin sambu banga sur kici cigi di bokulu class kan agogo mahagama afo kulwon class gi sambu ma ai sigo ga dole kana kalimi kan tirfo ce birse wudu aga bole dan zaga zan kai da tagaton to gonza ma fon ba tire man dogi sambu nodin hay kuni man samu kan ni gaban dika kai ha dino dir ko ti woni metre gonni mi ce ga aga ma zan ka kala da sin ga fahama sama ta ce no da zan ka sam aranni kallati yan gonu zan kai ce wanda yan wodo hare za'i man diran gai mboko arera fondo fo no aran sambu kan imu to ngai jale kan yango gallugo chaw zan kan kan jelo ci halba isigi chaw bai gono ci wosi kai ga bori halika ingan nan go ka zan kai gari saba wodin irni sambu ir waso to sigdi idgin boyo ci se inspecteur e conseiller ci famande se de ko di ci cindo partenaire ka fon nan gundi se fon ki gite kan nan zankai de mom du to cari wodun kan de partenaire bobo kan se ka kagri mti se ko kan sine cours de soutien afon wal cours de tapal kanga nan zankai dinge mu mdu hawo yeg ti se sensibilisation fon kanga zankai bonga e la kale chandi kanga nan la ki do edin la kale mkan kan sine api pisko sociala odien kulu edu patne kan kadir se gadi se koy amuciya gomnato do hare sate kanyan gungai bongorera ko hara bore bumbo il faut gati ga kasina kan kandi kande hankan gati tizan kai ni wani chawundi yango bore yandi yango fondara ir metre bumbo ga kulize kan gorsi bumbo famandi aram guna zan kai wo yo yendo kan ka zumba bo aram sina aram sbege gi fitina aram kai giti aram fulanga dise aram dem go banda metre bumbo di yegi gi ku ci famandi aram di zan kai no kan alhalo kan kini kan nongo ci chawundi yo guwanin di zan kai wani kan gwaran sai zam kale tun kan fu aram be fonde karanga samu ci wondo do haredi man te al hali karanga zinka garam naram de gi gunun di borzeni wona jin ha ngi wogo ba ci wondi o kan siru wona sayma differentiel kan gidi se ngi mo do kan ko jesende apu boy da erni ci zahi ferne guna arandi zanka ta jinka se guna you know ir darun wara aran mu gunum di foni kaga samudu zanka gidi zanka wose ko ne wato di ngir de gutu gutunin bo kwa zanka yin here dodo aran zanka kan sonka aran mu dise irin dise

Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs des radios partenaires, du studio Kalangu et c'est l'heure de passer à la page sport avec Adam Sariou, notre chroniqueur sportif de la semaine. Bonjour, Adam. Bonjour Mariam, bonjour Salamatou. Adam, nous débutons cette partie sport par, le tournoi IFOAB. Eh bien oui, nous la lançons ici même hier sur nos antennes. C'est désormais chose faite. La compétition est lancée hier à l'University Stadium d'Accra où le pays organisateur, le Ghana, a écrasé les éléphantaux cadets de la Côte d'Ivoire sur le score de 5 buts à 1. Si vous vous rappelez, hier, nous le disions qu'il faut surveiller cette équipe ghanéenne de près car elle sort d'une préparation où elle n'a fait qu'une de défaite et c'était contre les U17 de la Russie. Bien Adam, alors voyons les calendriers. C'est aujourd'hui la rentrée en jeu du du Niger. Après le deuxième match du groupe A entre le Burkina Faso et le Nigeria, le Niger fera son entrée face aux éperviers du Togo ce soir à 17h GMT à 18h heure de Niamey. Le Menaka 2 peut compter sur son attaquant Sheikh Saleddin Moussa qui évolue en France et Imran Isaka, milieu de terrain, qui joue dans le championnat ghanéen. Adam, parlons à présent de la 26e journée de la Super League de football. Eh bien, hier, deux rencontres étaient au programme pour le compte de la 26e journée de Super League. D'abord, les électriciens de l'AS Nigelec et le Zumunta. Le match est reporté pour une date ultérieure. Ensuite, à Dosso, le Tagour s'est imposé sur le Jean Football Club de Maradi sur le score de 1 but à 0. Ce soir, l'AS Police joue contre Renaissance Bokoti et l'Olympique FC contre l'AS Douane. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour un autre numéro. Merci beaucoup, Adam. me à présent, parlons du portrait du jour. Et eh oui, Mariam il s'appelle Aminou Meinou, un jeune docker âgé de 19 ans, originaire du village de Karakara, dans le département de Dogondouti, région de Dosso. Amin travaille comme docker au marché d'Olé de Niamey avec ce qu'il gagne. Il assiste financièrement ses parents. Voici son portrait avec Oumu Oumourou. Aminu Nenu matashi ne mai aikin dako cikin kasuwan dole ta birnin Yamai. Aikin nashi ya kumshi ya ɗauki kayan masu sayayya cikin kura don ya kai musu wajen ɗaukan motar haya ko motokin nasu. Don haka ne suna bashi dala arba'in zuwa ɗari. Aiki ne da Aminu ya shiga ciki saboda rashin halin ci gaba da karatun nasa. Aifaffen garin karakara ne jihar Doso. Shekara biyu kenan da ya zama ɗan dako. Aikin da bai hana Aminu Aminu taimaka ma iyayen shi lokacin aikin gona. Ikwal ida bakin sai Medina ni tsaya ikwal ida. Ban samu tallafi ba wanda an ka tallafa min hakan na ci gaba da karatu na haka. ni kuma niga kawai haraka karatun kawai in babu wani tallafa kun gani haraka ba ta yi mana na bar ikon na kawai na zo na nan ganye mai ina yin kaya kaya ne ina samu abin da nika ci hannu ina aika musu abin da suka amfani da shi can gida ni ni ni ka kai na nyamai kudin mota ma mata ta bani kudin mota na taho nyamai farkon ta ta dai bene ni fara zuwa na aikin nama bene to bara sai ni taho mai kuma bana kuma ni kan kalmi ban wasa ba kuma ni dawo mai yanzu ma magana gama da ake gai ma ina bisa hanyar zuwa gida ne na zuwa in ta yin noma in ka ƙara noma kuma in na ganin yamma ita na iya yi zan iya dawowa na kuma harka shiru ne ko ta yamma kuma zan iya buga wani shiya albarkacin wannan aikin aminu yana samun biyan bukatansa da na iyayensa yini kun san kaka kana iya samun jikka biyu haka wata rana wata ran kana iya samun ɗari har jikka har ma hiyar jikka biyu in kasuwa ta yi duk kana samu a nan dai muke kwana nan gidan in gari ya waye sai mu shiga kasuwa yanzu suna nan yanzu kana iya ɗauka musu kaya kana iya kashe kusan awa biyu awa uku ma baya gare su amma in sun zo ba su iya hidda haƙƙinka suna iya ɗiba abin dala hamsin ko dala arba'in haka su baka kun ga bai yi ba mana sun sun tauye kana gudan yini kana baya gare su kuma sun zo ba su yi dakin ka ba akwai diya kuma waɗanda cikin ma minti goma ma ya yi yawa in sun aza maka kaya kuma kai tsaye da ka ɗauka da ka kai musu da sun ba hakinka kuma sun ba tunda akwai diya waɗanda mahab suna ma iya baka in sun baka haka sun kai kamar ranka bai daɗi suna iya cewa ɗana bari in ƙara maka dan na kamar ka hala ƙwarai. A ganin Aminu babu maraye sai raggo zaman kashe wando shi ke sa wasu matasa suna shiga cikin aikin asha. Kun san rayuwa cikin juna ne wani na nan yanzu bai tunanin abin da attahe da abin da ya wuce da abu wanda zai zuwa yanzu wani yana iya zuwa ya zamna ma'aihin shi da ma'aihiyar shi don yana cikin ciki ma kai har sun kaɗo tallafi ne har ya yi ƙarhi kuma yanzu ya yi ƙarhi su ƙarhin su ya ƙare amma bai iya shi ta ya nemo ya kula da su zuciyar shi ya mutu kenan kun ga wannan ba namiji ba ne ma kai tunda duk namiji wanda ga iya zama haka ka zamna cikin gida ba ka iya hita ka ka nemo abin da za ka iya ɗaukan nauyin ma'aihin nan ka C'était le portrait réalisé par Oumu Oumourou. Chers auditeurs, bouclons notre playlist en écoutant Niger l'allée des filles de Maradi. auditeurs, c'est l'heure de notre rubrique à Loti avec les desk femmes du studio Kalangu qui porte sur l'espacement des naissances. En effet, le Niger a le taux de fécondité parmi les plus élevés au monde avec 6,2 enfants par femme en moyenne selon les statistiques. Pour bien espacer les naissances, le meilleur moyen demeure l'utilisation des méthodes contraceptives, n'est-ce pas Hawa Ousmane et Rekia Arimi. matso ki ji matso haba i haƙuri i haƙuri haba bebe na i haƙuri mun kusa isa gurin kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji mamma ma ta gaji kai Allah ke nake ma magana ki gafarce ni mamu ke ke ke zo zo nan waje ina zaki zo nan wurin ikon Allah lalle inda rai an gana shekaru hudu kenan rabona da ke yi hakuri mamu yaran ga sunan dai sun ɗauke mini hankali wallahi yaya kike lafiya lau dole su ɗauke miki hankali kin je kin ɗauko yaran mutane don mu biki bar su ba wajen uwayensu ni dai ce su mamu ke ce tubari kalla. yi mamu kin ga arziki na ko alhamdulillah tsaya tsaya wai da gaske kike shekarun su nawa tawar na da shekara biyu na goye na da shekara ɗaya da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi bakwai wayo Allah haka da kike yi kina wahalartar da kanki baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba tsarin iyali kuma menene haka tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa zai baki damar samun yara a lokacin da kike so ah na gane to yaya zan yi da farko dai ki je ki shawarci mijinki in ya yarda kina iya tahiya asibiti a guji jininki sannan a yi miki wadda ta dace da ke balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin kuma a ko'ina ba ka ba da kodala. Hmm. in mijina bayar da ba don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Me? Arziki? To in mijinki bai yarda ba, kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki don su zo su gaya mishi mahimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali ba ya tsai da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji. Duba kifa yadda kika tsufa. Hmm, gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki don mijinki ya yarda. yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke tunda sai da maganar shi kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi bayan ka samu ɗa ya kamata ka bari bayan shekaru biyu ka ɗauki wani cikin baki san ba in kana riritsa ka kai ga haihuwa hudu wahala za ka sha kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai wani irin hanyoyi ne ke da kwai sannan kuma wani irin mahimmanci ne an ya ku wannan basu da tsada ko kaɗan nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar kenan ba a biyan ko dala in kin je asibitin za su baki ƙarin haske akan dukkan hanyoyin tsarin iyali akwai kuma wasu hanyoyi kin ga da yake muna a cikin afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi wannan labari da daɗi yake amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko a'a ke shakuruminki daga kin da bin hanyar zaki ɗauki ciki ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau aha kwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi nawa tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace a je hankalinki. Gaskiya kawa na gode. Gaskiya kam ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa kulawa da su yadda ya kamata ke ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab gani gare ka. Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français en fulfulde avec euh, Niali. Bonjour Nyali. Bonjour Mariam. Bonjour Salamatou. Bonjour Nyali. Quel est le mot du jour Le mot du jour d'aujourd'hui est l'autonomisation. Chers auditeurs et chères auditrices, euh, bonjour. Notre culture euh, linguistique, le mot du jour aujourd'hui porte sur l'autonomisation, comme je l'ai dit précédemment. 13 mai, c'est la journée nationale de la femme nigérienne, une date célébrée pour la participation active de la femme dans la vie socio-professionnelle du Niger. Les femmes, depuis ce temps, se battent pour pouvoir subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins quotidiens de leur famille. Notre mot du jour, autonomisation, a été expliqué en anglais, en français, en germain, en hausa, et aujourd'hui nous allons l'expliquer en fulfulde. konngol autonomisation nder franciré nder fulfulde eɗen nantina konngol ngol enɗen ni keƴoram keƴoram neɗɗo du kanni woni neɗɗo wawa humtude ha joji mum wawa nangande koreji muɗum wawa wallirde woɓɓe kan en du ɓantu moƴƴinde burna mum'en du lawol waɗude batu 13 mengu enɗen ni nder kappo kula rewdu leydi nicher waddi ko rewɓe duni fa handen wonƴitoɓe ñamri waɗude kulle gom kulle ñameteɗe cingi lumo mu'en ton endam birnin gawri illa tati lewru ma hitandu e ujuna ɗiɗi e lasso e nayyi gam duni fa handen ko watta keƴona rewɓe ɓe enden ni hewto rewɓe reedu leydi niger fuu gam nde en daari keƴona rewɓe ɓe enden duni fa handen ko waawa waddude no rewɓe ɓe enden ni baw hoolade ko e mu'en waɗude kulle kewɗe ɗe gaddana ɓe yahdu yeeso tawa goɗɗo anday ɓe belto kamɓe e koreji maɓɓe nder burna maɓɓe hande e jango bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngu e sigilaji niger sur kala ngu ɗo woni komin mbawi yottinde he moɗon valatu pour aujourd'hui jare yeeso e hettinade sigilaji studio kala ngu e sigilaji niger sur kala ngu Merci Abdul Mouningeli, à bientôt. Bonne continuation. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Germa, Tamashek ou en n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Mariam, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu studio Kalangu. So, ni ne naku Salisu S daga nan Tanit Sahara. Bon, muna jin daɗin shirye-shiryen ku musamman ma filin muhawara. labaru ne wanda suka shafi cikin gida labaru ne kuke tattauna akan matsalolinmu gaskiya muna jin daɗi ɗari bisa ɗari kuma muna baku haɗin kanmu kuma a kodon lokaci insha Allah za mu ci gaba da bibiyar ku kamar yadda kuke muna muku addu'a kuma Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo namu na ƙasa ga baki ɗaya ina gaida abokanan arziki musamman Ali American Hassan tare da babaye Abdulrazak Mala Hassan da kuma sauran jama'a muna da margu wanda suke kusa da kuma wanda suke nesa. Studio Kalangu kuna burge ina jin daɗin shirye-shiryen ku daga nan hannu FM da Margu. Baba ya ekwal kwalkarce in wala mai burodi. Ina muku fatan alkhairi ina gai da sarki Tela Ali ina gai da sisigila ina gai da Respon ina gai da Salis S ina gai da Abdurrahman Shab de Garage ina gai da Grebe Hotel to ina muku fatan alkhairi muna jin daɗin shirye-shiryen ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Studio Kalangu muna gai ku ni ne Abdurrazak daga nan hannu ina gai da Salis S ina gaida Baba ina da sai sigila na gaida asan yana gaida dan gaye da ganin da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana shehu mai kani sayan gawo tsohon gari gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna birge mu sosai saboda radio ce wadda take iya ka mana labarai kowane iri ne a wanda duke faruwa a cikin ƙasar mu wanda ba dukkanin rediyoyin kasa ne muke samun irin waɗannan labarai a ciki ba ga kenan wannan abun birgewa ne abin birgewa ta da su na biyu shine hulɗar da su kai da gidajen ka namu na FM masu ba mu dukkanin shirye-shiryen da suka kamata. Kaga wannan kenan abu ne wanda za mu iya cewa mu mutanen karkara studio Kalangu ba ta mance da mu ba. Sannan abin birgewa na gaba radiyo ce wadda ta kula ta ba kuma kowane yare hakkin shi a cikin ƙasar nan saboda na biye biyan da sau da ƙawa na ga kowane irin yare kake ji akwai ma'aikacin shi a cikin studio kalangu kaga kenan wannan abin birgiya ne kenan ba ta yi bambancin kabila ba sai dai ƙari da muke so da kuma muke gani ya kamata studio ta waiwaye su shine a ƙara wasu shirye-shirye ire-iren abubuwan da suke kawo tsadar rayuwa da matakan da ya kamata a ɗauka don magance su ko kuma rigakahinsu da kuma kabilanci mai iya kawo wasu rigingimu wannan ya kamata studio ta rinka yin wani shiri na waye kai akan wannan irin ɗabi'o'i. Sunana Usman Ibrahim mai kanti. Ta hanyar radio da margu muna jin daɗin shirye-shiryen studio Kalangu muna sauraron ɗari bisa ɗari. Ga gaisuwa ta Tela Ali da Garaj sai Grace Abdurrahman duka muna gaida su. Fatan lahiya. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Lazaro Mamata Elle se bat pour ses enfants Fatima Tout ce qu'elle veut c'est gagner son pain Fatima Sa beauté n'est pas un atout Fatima Elle se bat hommes jusqu'au bout Fatima Fatima, eh. Fatima eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Saraonia Mata, elle a trouvé le bon, le mauvais moment, Fatima, mais elle a tenu. Ta Saraonia Mata, Fatima, elle a trouvé le bon, le mauvais moment, Fatima, mais elle a tenu. Elle a tant souffert, mais elle ne veut pas céder. Oh. Elle est déterminée et rien ne peut changer ça. C'est dans ce moment, on reconnaît les vraies femmes. Même dans la souffrance, elle préfère rester forte Digne et fière. saraune ya mata ona oh, no. fatima eh, eh. fatima fatima zaruma kece fatima zaruma fatima. Sarauni Amada Fatima Elle a tout vu Les bons, les mauvais moments Fatima Elle a tenu La Sarauni Amada Fatima Oh ah. Fatima Fatima Fatima Oh ah. Fatima Fatima Fatima Oh ah. Fatima Fatima Fatima Oh Fatima Fatima Fatima, Fatima, eh, Fatima, eh, Fatima, eh, Fatima, eh, Fatima, eh, Fatima, eh, oh, eh Fatima, eh, Sarauni Amata, elle a tout le monde est pour moment, Fatima, elle a tenu, la Sarauni Amata. Chers auditeurs, comme dit un les bonnes choses ne durent jamais. Ici prend fin notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous êtes en compagnie de Mariam Adey et moi-même Salamotou Kadri. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. N'oubliez pas de rester branché à 17h pour suivre nos journaux en 5 langues suivis du forum. Excellente journée à vous. Bye bye.